Il est 18h15 à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre écoute au programme du studio Kalangou diffusé chaque jour à travers notre réseau dynamique de radios partenaires couvrant toutes les huit régions du Niger. C'est l'heure du forum de Kalangou, votre rendez-vous journalier de débat radiophonique en français sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la lutte contre la lèpre au Niger. Comme vous le savez, le 29 janvier 2021, la communauté internationale a célébré la 68e édition de la journée mondiale dédiée aux lépreux. Cette maladie infectieuse chronique provoquée par une bactérie qui peut toucher diverses parties du corps et créer des infirmités graves lorsque la personne atteinte n'est pas vite soignée. Malgré les progrès que le monde a enregistrés dans la lutte contre cette maladie, plus de 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année, soit un nouveau cas toutes les 5 minutes selon les données récentes de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Au Niger, selon le programme national de lutte contre la lèpre, la prévalence de cette maladie dans les centres de santé du pays est passée de 6308 malades en traitement à la date du 31 décembre 1993 à 310 malades en traitement à la fin de l'année 2018. Dans la première partie de ce forum, nous irons à la découverte de cette maladie avec des spécialistes du domaine et dans la deuxième partie, nous verrons comment réussir à l'éradiquer au Niger. Pour un débat, nous recevons dans ce studio de Kalangou ce soir Madame Bankula Fatouma. Elle est technicienne supérieure en dermatologie au programme national de lutte contre la lèpre au Niger. Bonsoir Madame. Et Monsieur Seydou Saleh, il est le président de l'association nigérienne Raoul Folero, une association très active dans le domaine, comme nous allons le voir au cours de ce forum. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À la présentation de ce forum, je suis Michel Deji. Avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, je vous propose de suivre les témoignages de quelques personnes guéries de la lèpre. La première fois qu'on m'a amené au Tripano pour me faire soigner, il y avait même des gens qui me fuyaient. Mais maintenant, Dieu merci, les médecins se sont bien occupés de moi et je suis aujourd'hui bien guéri. Et c'est après ma guérison que j'ai mis au monde tous mes enfants. Vraiment, auparavant, nous avons souffert beaucoup. Moi, j'ai même eu la cassure du nez. C'était à deux ans du régime de Kunche. Mais maintenant, les Blancs ont amené le remède pour guérir la lèpre, car si toutefois la personne atteinte se présente dans une formation sanitaire à temps, si elle reçoit les soins y afférents. En tout cas, il est difficile de se rendre compte qu'il est atteint par la lèpre même dans un milieu. Donc il est nécessaire et même impératif que dès lors qu'une personne constate les premiers signes de la lèpre, d'aller se faire soigner et prendre ses médicaments. Propos recueillis par le studio Kalangu. Monsieur Seydou Saleh, président de l'association nigérienne Raoul Folero. Quelle réaction après avoir écouté ces témoignages Merci, Monsieur Michel. Donc, comme vous l'avez dit dans la présentation, de tout temps, effectivement, c'est ça le problème. Euh, on a toujours dit que la population a toujours peur de la lèpre. Et pourtant, c'est une maladie comme les autres. Et c'est vrai ce qu'elle a dit. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ont toujours peur de la lèpre. Quand un malade vient, euh, je ne sais pas, peut-être c'est par ignorance, mais toujours est-il que Mhm. l'association, le programme national, le centre national font des efforts de sensibilisation, mais ça n'empêche pas aux gens d'avoir peur de la lèpre. C'est une triste réalité. Mhm. Voilà. J'ai reconnu sa voix. Mhm. C'est une personne que je connais bien. Voilà. Merci à vous donc, euh, Président. Madame Bankula euh, Bankoula Fatouma, technicienne euh, supérieure en dermatologie au programme national de lutte contre la lèpre au Niger. Quand on parle de la lèpre, Qu'est-ce que c'est Merci le studio Kalangu de nous avoir invités pour qu'on parle de la lèpre. Donc, la lèpre, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Donc, c'est une maladie infectieuse d'origine bactérienne. Hum. Hum, donc, elle est due à un bacille. Donc, la lèpre, elle est guérissable. Qu'est-ce qui provoque alors cette maladie, madame Elle est provoquée par une bactérie, un microbe. Donc c'est ça le mycobacterium lepra, mhm. communément appelé le bacille de Hansen. Hansen qui est le nom de la personne qui, a, découvert, ce microbe. oui. Il y a près de 150 ans. Oui, depuis 1887. Et comment se transmet la maladie Principalement, c'est par la voie respiratoire. Par la voie respiratoire à travers les gouttelettes qui sortent de la d'une personne lépreuse. Euh, lépreuse envers mhm. une personne saine. Mhm. Donc c'est principalement par la voie respiratoire. Et les autres voies c'est lesquelles Les autres voies, il y a la voie cutanée, il serait si vous voulez. Mhm. Euh, mais la principale voie ici qu'on retient, c'est la voie respiratoire, à travers les sécrétions nasales, les gouttelettes, la salive. On peut dire donc que mhm. ce n'est pas une maladie héréditaire. Non, la lèpre n'est pas héréditaire. Beaucoup de gens pensent que c'est une maladie héréditaire, ou bien elle est transmise par un mauvais sort ou une malédiction. Hmm? Il y a mhm. d'autres aussi qui pensent que c'est à travers la consommation des viennent des chèvres. Non. Ici, il faut retenir que la lèpre, elle est une maladie infectieuse, comme la tuberculose, comme toute autre maladie qui est guérissable. Merci à vous pour euh, cet éclairage. Euh, mhm. Monsieur Saleh Seydou, président de l'association nigérienne Raoul Folero, que mhm. fait votre association pour contribuer à mieux faire connaître euh, cette maladie à toutes les populations du Niger merci. Notre association ne fait que de la sensibilisation. La sensibilisation pour prévenir cette maladie, le point essentiel, c'est la sensibilisation des populations. Et à toutes les occasions, nous, nous sensibilisons les populations. Les partenaires avec lesquels nous travaillons, le programme national, le centre national, à toutes les occasions, ils sensibilisent la population. Donc c'est vraiment la sensibilisation qui fait que si vous avez constaté les chiffres que vous avez donnés, ça nous montre que ça recule. C'est vrai, on n'est pas arrivé au terme, mais on est en bonne voie. En dehors de la sensibilisation, l'association vient en aide aux personnes déjà affectées, comme on le dit. Mhm. Ils sont, sont plus des personnes euh, lépreuses, mais ils ont été, c'est comme s'ils ont été, euh, comment on appelle, endommagés. Leur corps est mutilé sans doigts, sans. des séquelles. Sans orteils, voilà, ils ont des séquelles. Pour certaines personnes. Ils ont des séquelles mhm. pour certaines personnes. Et eh bien ces personnes-là, nous leur venons en aide à travers les efforts des partenaires, mhm. en leur finançant des petits projets, vente de bois, vente de farine, je ne sais pas quoi encore. Nombreux sont les personnes affectées par la lèpre qui ont bénéficié de petits projets. Hein, pour leur réinsertion dans la société. Parce que nous disons que quand quelqu'un, il est, la personne est déjà guérie de la lèpre, mais elle est mutilée. C'est pour lutter aussi contre la mendicité. Donc il y a des partenaires qui nous aident dans ce cas-là vraiment, tels que la fondation, tels que TLM, mhm. les Mission. Vous parlez de réinsertion. réinsertion. Ça veut dire qu'on peut dire que elles sont parfois rejetées la société Oui, comme vous le savez, la stigmatisation, mhm. euh, c'est le problème de ces personnes-là. La première intervenante là, a parlé de ça. On les rejette, même si elles sont guéries de la maladie, eh bien, ces personnes-là sont rejetées par la société. Alors qu'une personne guérie ne transmet plus la maladie Justement, dès la mhm. première prise de médicaments, le malade n'est plus contaminant. Il ne peut plus transmettre la lèpre. Mais avec tout ça, la personne fait un traitement souvent de six mois ou de un an, souvent les cas. Elle finit son traitement. Les gens continuent à avoir peur parce que tout simplement, la personne avant de venir a tardé. Elle n'est pas venue très tôt pour se faire soigner. Elle est venue à un stade avancé de la maladie qui fait que la maladie a gagné du temps. Il a soit des griffes. Apparemment, quand tu le vois, tu penses qu'il est toujours malade. Mm. Alors que quand on prend le sang pour vérifier, il n'y a plus de bacilles. Mais quand vous les voyez dans la ville, eh, eh bien, avec les dommages qu'il a sur le corps, les dommages corporels là, euh, eh bien, la population a toujours peur de ces gens-là. Et on pense qu'ils peuvent attraper la maladie. ils peuvent attraper la maladie. En restant avec cette personne ah, qui est déjà guérie. Voilà, justement. Donc c'est ça qui fait la stigmatisation. Imaginez même des agents de santé hein, qui ne sont pas dans le cadre de la lèpre ont souvent peur. Ça, c'est une peur bleue. Ça n'a pas de sens. On peut envoyer un malade à l'hôpital, par exemple, pour, des soins. Hein, souvent, s'il n'est pas accompagné, il n'est pas soigné. Hein. Donc, c'est pour vous dire que ça peut paraître un peu bizarre. Mais il y en a qui, si vraiment le malade n'est pas accompagné, hein, difficilement qu'il est reçu. Vous qui côtoyez souvent ces personnes euh, guéries de la lèpre, mhm. comment vit-elle ces personnes Bon, vous savez, au Niger, euh, la société même souvent cache la lèpre. Il y a des familles dans lesquelles s'il y a un lépreux, eh bien, on les cache. On les cache au point où ils ne veulent pas. C'est comme si ça salit le nom de leur famille. Donc, et ça, ça fait en sorte que la maladie va évoluer. Pour, euh, au lieu de l'amener très tôt, on attend jusqu'à ce que ça atteigne euh, l'irréparable parce que la maladie, quand on l'amène, même si c'est à la dernière minute, la personne va guérir de la lèpre. Mais il y aura des séquelles. et, les séquelles vont faire en sorte que le malade là, la personne là va être. Euh, euh, stigmatisé, mhm. Voilà. Merci à vous. Merci. Nous entamons à présent la deuxième partie de ce forum. Après avoir vu ce que c'est cette maladie, intéressons-nous maintenant au défi de l'éradication de la maladie au Niger. Nous l'avons dit en introduction, au Niger, selon le programme national de lutte contre la lèpre, la prévalence de cette maladie dans les centres de santé du pays est passée de 6308 malades en traitement à la date du 31 décembre 1993 à 310 malades malades en traitement à la fin de l'année 2018. L'on remarque une diminution des cas. Madame Bankula Fatouma, technicienne supérieure en dermatologie au programme national de lutte contre la lèpre au Niger, existe-t-il des chiffres nouveaux Si oui, dites-nous la situation actuelle. il existe des chiffres nouveaux parce que en fin de chaque année, la collecte, on collecte des nouveaux chiffres. Mhm. Donc pour l'année 2020, nous avons enregistré 277 nouveaux cas. 277 nouveaux, cas. Je rappelle contre 310 donc en 2018. Il y a eu encore une baisse. En 2019, mhm. il y a eu une hausse. On était à 333. 333. mais cette année 2020, c'est mhm. en baisse. Donc c'est passé à 277 cas. Mhm. Et quelle comparaison faites-vous de ces chiffres avec euh, les tendances au niveau régional, continental et mondial Je n'ai pas ces chiffres en tête. Mais quand même, au Niger, on est dans un pays hypo-endémique de la lèpre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, de, lèpre. a pas par rapport aux autres, aux autres pays. Mm. Mhm. Et le président de l'association Raoul Folero a eu à le dire, la lèpre est une maladie qu'on peut guérir, mais à condition qu'elle soit très vite euh, prise euh, en charge. Alors euh, d'abord, quels sont les signes annonciateurs de la lèpre et à quel moment recommande-t-on le dépistage Donc les signes de la lèpre, vous savez que la lèpre, elle a une affinité surtout pour la peau et certains nerfs périphériques. Mhm. Donc elle attaque la peau et certains nerfs périphériques. C'est-à-dire il y a des nerfs au niveau des mains, tels que le cubital, mhm. le médian, on a le sciatique poplité externe et le tibial postérieur. Et ces nerfs-là, ils permettent aussi, comme vous êtes, vous les comprenez, à faire des mouvements mhm. et à sentir la sensation. Donc, la lèpre, elle attaque ces deux organes-là, mhm. la peau et les nerfs. Au niveau de la peau, elle débute surtout par une tache. C'est ça qu'on appelle une macule hypochromique, c'est-à-dire une tache qui est plus claire que la peau normale. C'est ça le début de la maladie. C'est au niveau cutané. Mais ce qui caractérise la tache là, elle est hypochromique. Elle évolue très lentement. Et Ça peut prendre combien de mois ou combien d'années C'est-à-dire que la tâche, avant que ça ne s'agrandisse, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, ça dépend. On ne peut pas vraiment situer le temps. Mm-hmm. Hmm? Mais sachant que c'est une tâche qui évolue très lentement. Et cette tâche-là, elle ne dérange pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prurite, il n'y a pas de démangeaison, il n'y a pas de douleur. Donc pour le malade, ce pas un problème. C'est pas un problème. Mm-hmm. Surtout si ils ne connaissent pas. Donc cette tâche-là, elle est insensible aussi. Mm-hmm. Quand on la touche, elle est insensible. Et à part la tâche aussi, sur le plan cutané là, il y a des nodules, des boutons, des boutons qui sont fermes, luisants, sans pu, qui siègent surtout au niveau du front, du menton et de la poitrine parfois. Sur le plan cutané, il y a aussi une infiltration qu'on observe, un œdème et épaississement, surtout au niveau facial. Et à quel stade euh, la personne malade peut transmettre la maladie Il n'y a pas de stade. La lèpre est contagieuse, mais sa contagion est minime par mm. rapport aux autres maladies. Quels sont donc euh, les différents types euh, de lèpre que nous avons On classe la lèpre en deux formes. C'est-à-dire, il y a la lèpre possibacillaire. La lèpre possibacillaire, c'est-à-dire, presque on peut dire, il y a peu de bacilles qui est la moins grave. Donc, elle se limite au niveau des tâches. Des tâches, quand vous avez un malade à une à cinq tâches, on dit qu'il fait la lèpre possible mhm. La moins grave. Dans ce cas, il y a peu de bacilles. Donc, si c'est supérieur à ces cinq tâches, six ou plus, c'est la lèpre multibacillaire. Donc là-bas, il y a beaucoup de et la lèpre possibacillaire, mhm. quand on la transmet à une mhm. autre personne, la mhm. personne attrape la même forme de lèpre. Non, non, non, non. non. C'est-à-dire, quand on parle de lèpre possibacillaire, le malade, il est venu à un stade précoce du traitement. Il est venu vraiment tôt, avec une à cinq tâches Mhm. On peut guérir le malade. Personne ne va savoir. Ça veut dire que le stade euh, post-bacillaire, mhm. si c'est pas vite euh, traité, ça peut aller au stade euh, multibacillaire. Exactement, ça mhm. peut évoluer. Mais même là-bas, au niveau de la lèpre bacillaire il peut y avoir des dommages au niveau des nerfs. Donc, pour résumer, à quel moment faut-il donc faire le dépistage pour ne pas avoir de séquelles Dès que les malades ont une tâche plus claire que la peau, il faut qu'elle vienne se faire consulter. Parce que, comme le président allait dire, le problème, le plus grand problème qu'on en trouve, c'est que les malades tardent avant de venir au centre. Mhm. Et c'est là pour plusieurs raisons. Il y a l'ignorance, c'est ça, je pense, la principale raison. Mhm. Parce que les gens ne sont pas informés des signes de la lèpre, les débuts du signe de la lèpre, mm. ne sont pas informés. Et il y a des gens aussi qui ont honte, ils considèrent que c'est une maladie honteuse. C'est pour mm-hmm. cela qu'ils ne viennent pas. Donc, pour faire cacher cette, honte, mm-hmm, ils ne viennent mm-hmm. pas se faire traiter. Mais si un malade, dès qu'il constate qu'il a des taches hypochromiques, c'est-à-dire des taches plus claires sur la peau, et qu'il vient consulter tout, il va guérir sans séquelles. Généralement, mhm. nos malades qui viennent, la majorité vient avec ces infirmités. Et comment se fait le traitement de la lèpre Une fois qu'on fait le dépistage Une fois que le dépistage est fait, on traite la lèpre en fonction de ces deux formes-là. Mhm. C'est-à-dire possibacillaire et, et multibacillaire. Donc pour la lèpre mhm. possible bacillaire le traitement, le malade prend six plaquettes en mhm. six mois. Donc, il prend la polychimiothérapie. C'est ça la PCT. Six plaquettes en six mois. ça veut dire en six mois de traitement, la personne est guérie, c'est ça? Mhm. Est guérie. Pour la première euh, forme, qui est la forme, forme bacillaire. Et l'autre forme multibacillaire. Mhm. Il doit prendre 12 plaquettes en 12 mois. Les produits de la PCT, c'est sous forme de plaquettes de 28 jours. Donc on donne six plaquettes durant 6 mois. Et pour les multibacillaires, 12 plaquettes durant 12 mois. À quel moment le malade prend le médicament Il prend ça le matin, mhm. au cours des repas. Une seule fois dans la journée Une seule fois dans la journée. Et à quel moment du traitement on ne peut plus transmettre la maladie Le président vient de le dire. Dès la mhm. première prise mhm. de la PCT, le malade n'est plus contagieux dès la mhm. première prise. Parce que dans les plaquettes de la lèpre, il y a des prises supervisées. C'est quoi la prise supervisée mhm. C'est-à-dire que dès le dépistage, vous mettez le malade sur traitement mhm. et dès la première prise de cette dose-là, le malade n'est plus contagieux. Donc, on n'a pas besoin d'une éviction ou bien d'un arrêt de travail pour ce malade-là il peut regagner son lieu de travail. Après la première journée, on peut dire que... Il n'est plus contagieux. Et comment se fait le prise en charge, euh, madame, au niveau du Centre national euh, de prise en charge de la lèpre Pas seulement au niveau du centre, au niveau national, le traitement de la lèpre, il est gratuit. La PCT, elle est disponible. Mais où se rendre euh, dès qu'on constate justement qu'il y a euh, des symptômes de la lèpre euh, au niveau de la peau, par exemple, tel que vous avez à l'expliquer. On peut se rendre à n'importe quel centre de santé, dans les CSI, au niveau hôpital, au niveau HD aussi. Mhm. Et c'est après qu'on les oriente vers euh, le centre ou bien Non, la ça... prise en charge se fait dans tous les centres. Dans toutes euh, les formations. normalement, dans toutes les formations sanitaires, mhm. il y a la prise en charge des cas de ces malades. Mhm. Mais Niamey, on réfère surtout au niveau du centre. Dès qu'il y a un malade qui a une dermatose, on le réfère là-bas. Ici, généralement, la prise en charge vraiment à Niamey, ça s'est fait au niveau du centre. Qui est une référence. C'est ça, exactement. Mais est-ce qu'il y a des cas particuliers qui ne peuvent pas être euh, traités au niveau des autres centres euh, de santé, mais que vous, vous arrivez à prendre en charge au niveau du centre dermatolèpre de Niamey Non, sauf en cas de complication. Sinon, si c'est le traitement curatif partout, dans chaque centre, on peut prendre ce malade-là mhm. en charge. Et qui prend ce malade en charge, c'est forcément un dermatologue Non, non non, non. Au niveau, jusqu'au niveau périphérique, les mhm. malades sont pris en charge. Ils sont pris en charge parce qu'il y a les médicaments. Tous les agents de santé, sauf maintenant le problème qu'on rencontre, beaucoup de nos agents de santé ils ne sont pas formés sur la lèvre. Et mhm. c'est ça qui est notre grande difficulté. Les malades peuvent passer inaperçus dans un centre. Mhm. Parce que si l'agent de santé n'est pas formé, il ne peut pas diagnostiquer la lèvre. Qu'il soit médecin ou agent de santé, parfois il y a une méconnaissance de la maladie à leur niveau. Et le hmm. malade échappe parfois. Monsieur Saleh Seydou, à votre niveau, quelles sont les difficultés que vous constatez en lien justement avec euh, la prise en charge de la lèpre euh, au Niger, le traitement, les médicaments qui doivent être euh, administrés et tout Bon, vraiment, sur cet aspect-là, on remercie la Fondation Raoul Foloro. La Fondation Raoul Foloro n'a jamais failli à ce mm. devoir-là. La fondation qui appuie donc Qui appuie donc euh, le programme national et même l'association et même le centre. Donc la disponibilité, comme venait de dire euh, Madame des médicaments et la gratuité permanente la disponibilité et la gratuité. Donc, sur ce plan, il n'y a aucun problème. Mais là où on a la grosse difficulté, effectivement, là aussi, elle l'a évoqué, c'est le problème de formation. La formation des agents de santé, en général, que ce soit médecin, infirmier ou... Sage-femme. Il n'y a que... Il y a actuellement une formation qu'on appelle TSD, technicien supérieur en dermatologie. Ce groupe de techniciens-là, quand ils sortent, ils ont déjà le cutus, quoi. Ils mhm. ont fait la dermato, mhm. donc ils connaissent déjà la Maintenant, sinon, les autres agents de santé, les infirmiers diplômés d'État, ou les TSSI, ou les médecins diplômés d'État, tout ça, qui ne font pas la lèpre, ils ne font pas une formation de dépistage, ça va être difficile de reconnaître la lèpre, ça va passer inaperçu. Parce qu'on peut confondre une tache de lèpre à un truc, euh, une lésion banale, quoi. Mhm. Voilà. Ça veut dire que vous pensez qu'il est souhaitable que cette formation soit inclue voilà. au niveau des agents de santé. Au niveau des écoles de santé ou même Et même pour ceux qui sortent médecins. Voilà. En vue d'une euh, bonne prise en charge médicale de l'épreuve au Niger, ces derniers ont été aider à mieux s'organiser partout dans le pays. Leur leader, appelé Serkin Koutare ou chef traditionnel des lépreux, joue un rôle important dans la sensibilisation des malades. Ali le troisième de ces chefs au nous parle de leur accès progressif aux soins ainsi que l'inefficacité des médicaments traditionnels. On l'écoute au micro de Studio Kalango. Si toutefois une personne reçoit les soins médicaux, je pense qu'il n'a pas besoin d'autres soins traditionnels. Parce que si les soins traditionnels peuvent réellement guérir, mon cas ne serait pas comme ça. J'ai fait un traitement traditionnel pendant quatre mois depuis le régime de Contier. Aucune amélioration n'a été constatée. Alors donc, euh, la meilleure solution, c'est de se faire un traitement médical. D'ailleurs, sur toute l'étendue du territoire du Niger, il y a les soins médicaux de l'Alep et c'est gratuit. Toutefois que l'examen indique que la personne est atteinte instantanément, on lui inscrit des produits de soins gratuitement. Est-ce que les citoyens ont compris cela Mais bien sûr, les gens ont compris, mais d'autres n'ont pas compris. Par exemple, j'ai rencontré une jeune fille derrière l'état gontier Elle vendait des tubercules. J'ai constaté qu'elle a le pied enflé et qui commence à fissurer et qui fait couler un liquide. Elle tentait d'essuyer. Alors je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas allée au dispensaire. Elle m'a répondu qu'elle est allée à Tripanou. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as reçu les médicaments Elle m'a dit oui, qu'elle a reçu les médicaments, qu'elle a pris la première dose et elle a remarqué du sang couler sur sa plaie. Alors ses parents l'ont dit, voilà, tu as contacté une autre maladie encore. Et c'est en ce moment qu'elle a jeté le restant des médicaments. Alors que quand on prend ces médicaments, un tel signe ne se constate qu'une seule fois et la prise du médicament doit se poursuivre. Et dès lors, elle ne s'est plus rendue au dispensaire Oui, elle n'est plus repartie. Je lui ai demandé dans quel quartier elle réside. Elle m'a dit qu'elle vit à Quartegui. Je lui ai dit d'aller à la maison du président de l'épreuve. quelle que soit la personne qu'elle va rencontrer et lui demander, on va lui montrer le domicile. Mais elle n'est pas allée, elle n'a rien compris jusqu'à présent. Hein, hein, quelle réaction Seydou Saleh, président de l'association nigérienne, Raoul euh, Folego merci, monsieur Michel. C'est juste ce qu'il dit. C'est juste. Maintenant, euh, ce que la personne qu'il a rencontrée là a constaté, c'est dû à l'élimination d'un produit. C'est un produit qui s'élimine par les urines. Hein. Mhm. Donc c'est ça qui donne cette coloration-là dans les urines. ça mhm. C'est-à-dire que là encore, c'est l'agent de santé mhm. qui doit informer le malade. Écoute, quand tu vas prendre ce médicament-là, tu vas voir que tes urines vont changer de couleur. N'aie pas peur, ça ne fait rien. C'est juste des effets secondaires. voilà, c'est juste des effets que ça va passer et puis Voilà, mais si la personne n'est pas prévenue, elle va penser à autre chose. Elle va lier c'est comme une autre maladie qui est venue s'installer à, la suite de la prise de ce produit-là. Alors il va arrêter. Et s'il arrête, c'est grave. Et quelle relation entretenez-vous avec ces chefs traditionnels des lépreux dans le cadre de vos actions Voilà. Les chefs de lépreux, c'est même euh, un vice-président de notre association. Mhm. C'est-à-dire que nous ne tenons pas des réunions euh, auxquelles il n'assiste pas, ou son mhm. représentant, puisqu'il est le chef de Niamey. Donc lui, quand on tient des réunions, il est membre du bureau national mm. de l'association. Euh, il est vice-président. C'est le deuxième vice-président de l'association. Donc euh, quand on tient des réunions, c'est toujours en sa présence. Il a aussi, euh, des, appelle des membres de sa cour. Ils sont au nombre de trois, je crois, dans le bureau là. Mm-hmm. Voilà. la présidente aussi, celle-là qui a parlé là. Mm-hmm que j'ai reconnu sa voix là. C'est pas pour, <laughs> parce Celle qui a parlé au début. Au début. Elle mhm. aussi, elle est membre. Elle, représente la présidente des femmes lépreuses de la communauté de Niamey Voilà. Donc c'est vraiment c'est des gens, des personnes avec lesquelles on travaille régulièrement. Mhm. On est tout le temps ensemble dans les sensibilisations, dans toutes nos activités d'art. Voilà. Merci. Madame euh, Bankula Fatuma, technicienne supérieure en dermatologie au programme national de lutte contre la lèpre au Niger. La femme euh, que le Saïtun Koutare, Ali Niali, c'est-à-dire le chef traditionnel euh, de lépreux, a rencontré, a arrêté son traitement à cause justement d'une supposée présence du sang dans son urine, ce qui du reste est passager. Mais elle a quand bien même arrêté le traitement. Est-ce à dire qu'elle n'a pas été suffisamment informée de ces désagréments, comme a l'expliqué le président de l'association Raoul Follet. Ok, merci. La femme, n'a pas été sensibilisée. Sinon, elle n'allait pas rejeter le produit-là. Au fait, la PCT, c'est une association de plusieurs molécules hein, d'antibiotiques. Hein. Mhm. Trois molécules. Il y a la rifampicine, il y a la dapsone et il y a la clofazimine. Mm. Et chacune de ces molécules peut donner des effets secondaires. Et ces effets-là, c'est la rifampicine. Dès le dépistage, dès qu'on met le malade sur traitement, il faut l'informer de ces effets secondaires-là. Et leur expliquer, ce n'est rien de, de rassurer le malade que c'est passager. Mhm. Hein, c'est dû aux produits qu'ils ont pris. Et il y a d'autres qui donnent une, une hyperpigmentation de la peau. Dès qu'ils commencent à prendre le produit, il devient très noir, la peau devient noire. Tout ça, mhm. normalement, au dépistage, on devrait enfermer ces malades pour qu'ils continuent le traitement, pour ne pas avoir peur dès qu'ils sont en compte avec ces effets secondaires-là. Et quels sont les risques euh, dans le cas où la personne arrête le traitement À ce niveau, la malade, là, si elle ne traite pas, elle va encore aggraver sa maladie. Elle va développer les infirmités et elle va aller vers le pôle de multibacillaire si elle est possibacillaire. Mhm. Il y aura une aggravation de sa maladie si elle ne vient pas se faire traiter, si elle ne prend pas les suites des produits. Parce que les produits, là, ça doit être continu. Mhm. Il faut un il faut entretenir ce cap-là qu'on a guérison. Ça veut dire que dès qu'on hmm. arrête le traitement, la maladie devient à nouveau transmissible Tout à mhm. fait, puisqu'on n'a pas continué le traitement. Le section Kotare, à parlait hmm. également de la question du traitement traditionnel. Quels hmm. sont également les risques du traitement traditionnel Les risques du traitement ils aggravent la maladie. Parce qu'il y a beaucoup de nos malades, ils viennent même au début, au niveau des centres, pour se faire traiter. Vu peut-être la durée du traitement qui est longue, parfois ils abandonnent le traitement pour aller faire le traditionnel. Hmm, parce que vous avez dit 6 mois, six mois pour euh, la formule euh, bacillaire et 12, mois pour l'autre. L'autre. Hmm. Ils préfèrent guérir vite, parfois. Ils partent, ils voient, ils font le traitement traditionnel. Mais hmm. beaucoup reviennent. Parce qu'il y a une aggravation de la maladie. Vous ne prenez pas les produits, vous aurez ce qu'on voit chez les lépreux là, les mutilations, les infirmités là. Donc dès que ça commence, il y a l'atteinte des nerfs, ils commencent à développer des infirmités, ils vont encore revenir au niveau du il faut donc euh, forcément retourner au niveau des centres de santé, pour être euh, pris en charge, ne mm. jamais arrêter le traitement, mm, mm. comme ce que nous avons attendu dans le témoignage euh, du Serkin Koutare. Allez Globalement, à votre niveau, donc, monsieur le président de l'association Raoul Folero, par rapport à cette problématique du traitement traditionnel de la lèpre, c'est vrai que au niveau même euh, de la médecine, le bacille n'a pas été vite euh, découvert et les gens regardaient beaucoup plus l'aspect traitement traditionnel. Comment vous arrivez à faire face euh, à cet état de fait ce que nous faisons, c'est toujours de la sensibilisation. Et nous demandons aux partenaires de financer les formations des agents de santé. Mhm. Parce que c'est la sensibilisation qui va faire en sorte que la population comprenne le danger qu'il y a à arrêter un traitement en cours. En plus des conséquences fâcheuses qui, dont Madame a parlé là, mhm. il y a aussi la résistance que ça peut poser. La résistance aux antibiotiques. Ça va remettre en cause, ça peut gâcher, comme on le dit, quand un, germe résiste à un antibiotique, parce que tout simplement, on a commencé à, c'est comme un sapeur-pompier qui vient essayer d'éteindre un feu. Mhm. Il commence, il n'a pas fini, il part. Le feu va continuer. Hein le feu va continuer à, à détruire. À détruire. Donc c'est ça le danger. Et là, euh, ici, dans le cas des germes, comme c'est des, cellules vivantes, elles hmm. peuvent générer ce qu'on appelle euh, des résistances hmm. aux antibiotiques. Cette fois-ci, l'antibiotique là qui a commencé à guérir, là, ça peut ne plus marcher. Hmm. Il faut peut-être changer, il faut une autre molécule. Et ça, c'est dangereux. Mhm. Ça remet en cause euh, beaucoup de Ça veut dire qu'en aucun cas, on ne doit recourir euh, au traitement traditionnel. Le traditionnel ne fait que ruiner les gens. Le traitement, en tout cas pour la lèpre, on n'a jamais vu quelqu'un qui est guéri par un traitement traditionnel. Les gens, ils peuvent abandonner le traitement médical pour aller faire euh, le traditionnel, mais ils sont toujours en train de revenir mhm. vers le médical. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de guérison. Donc autant continuer. Autant continuer. Madame euh, Bankula Fatouma, technicienne supérieure euh, en dermatologie au programme national de lutte contre la lèpre au Niger, quelles sont les avancées enregistrées par le Niger dans le cadre de la lutte contre la lèpre Les avancées, vous avez vu, il y a une réduction des mhm. cas, de cas sûr. des nouveaux cas. Mhm. Vous avez dit qu'il y a eu 333 euh, mhm. cas en 2019 et, en 2020, nous avons 277 cas. Mm. Donc, euh, nous, l'effort du programme, c'est surtout les formations. Nous arrivons à former les agents de santé sur la Nous faisons des supervisions au niveau de certains CSI. Mais ces, ces activités de renforcement-là, c'est insuffisant par manque de moyens. Au programme, nous, avons deux sorties par an de supervision financées par notre principal partenaire, la Fondation Raoul Folure. Nous avons aussi le fonds commun qui nous permet d'aller vers la population pour faire des dépistages de masse. Et nous avons aussi l'appui de Télémi, surtout au niveau régional, mhm. pour mener les activités de la lèpre. Mhm. Madame Bankola Fatouma, que faire alors pour arriver à une éradication complète de la lèpre dans un contexte où la maladie continue à rendre handicapé nombre de personnes et à les faire souffrir malgré l'existence d'un traitement qui devient de plus en plus très efficace lorsqu'il est bien administré, comme on l'a vu. Maintenant, nous sommes à une phase d'éliminer la lèpre d'ici 2030 au Niger. Mhm. On ne parle pas, si on parle d'éradication, c'est sur le plan mondial. mondial. Mhm. Maintenant, les stratégies adoptées maintenant, c'est surtout éliminer la lèpre d'ici 2030. Au niveau national. Oui. Donc nous sommes mhm. sur ce plan-là. Maintenant, pour les stratégies, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir zéro cas, c'est surtout aller, quand on a un nouveau cas, on part faire l'examen du contact de ces cas index là, et voir s'il y a des cas de lèpre au niveau de l'entourage du mhm. malade là. Il y a la sensibilisation, mhm. la formation aussi des agents de santé pour arriver à l'élimination de cette maladie. Quel appel euh, lancez-vous à l'endroit des malades de la lèpre, surtout celles qui ne veulent pas se faire soigner Alors, euh, Madame euh, Bankoula. L'appel que je lance envers toute la population, dès qu'une personne a les signes de la lèpre, c'est-à-dire les, tâches, hein, qui sont plus claires que la peau, qui ne démangent pas, qui évoluent lentement, qu'elles viennent se faire traiter tout au niveau des centres de santé. Et de quelle protection bénéficient les lépreux aujourd'hui au Niger pour être à l'abri d'une quelconque euh, exclusion sociale c'est surtout à travers l'association. C'est l'association qui, s'en occupe euh, beaucoup plus. C'est surtout le, le plan curatif et formation qu'on fait. Et quels sont les efforts euh, allant dans ce sens, euh, justement mm-hmm. Monsieur Saleh Seydou, président de l'association Raoul euh, Felleron. Mm, dans le sens de lutter contre la stigmatisation, il y a un article qui empêche, normalement c'est une loi, qui empêche aux autres personnes de stigmatiser. C'est vrai, cette stigmatisation vise les personnes, handicapées, de façon Donc, générale. Y compris les personne les personnes affectées, par la lèpre. Voilà, donc mhm. euh, il y a cette euh, loi-là. Normalement, si on la met en application, il n'y a aucun problème. Voilà, mais comme on est au Niger, dans tous les cas, les lois sont là, on les pétine. Mais sinon, euh, si on respecte la loi, eh bien, ces personnes-là, ils ont droit à tout, ce dont les autres personnes handicapées ont droit. Et si maintenant une personne affectée par la lèpre a une autre maladie que la lèpre, quand je dis personnes affectées par la lèpre, je parle des personnes qui sont guéries de la lèpre, mhm. mais qui, sont, qui ont un dommage corporel. Mhm. Ces personnes-là, quand ils ont une autre maladie, comme, je ne sais pas, le diabète ou l'hypertension, et qu'ils partent pour se faire soigner, ces personnes-là sont toujours stigmatisées, dans ce dont j'ai parlé déjà. Elles mhm. sont toujours stigmatisées malgré l'existence de cette loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas tous les médecins qui acceptent de consulter valablement ces personnes-là. Il faut donc si renforcer la pas, sensibilisation, Voilà. Madame, euh, pour terminer, est-ce qu'on peut avoir une idée du taux d'infirmité par rapport euh, justement à la maladie Oui, on peut l'avoir. Le taux d'infirmité, je pense, cette année, c'est 31%. Parmi les nouveaux cas. Mhm. C'est-à-dire parmi mhm. les, 277 cas, qui ont été enregistrés. Il y a 88, je pense, qui ont des degrés d'infirmité 2. Mhm. Les degrés d'infirmité 2, c'est quoi C'est ça, les, ça, ces infirmités visibles qu'on voit. Les griffes, hein, la cécité, la lagophtalmie qu'on voit chez les cas de lépreux, là ou bien qui développent des plaies au niveau des plantes des pieds. Et le cas d'infirmité 1, c'est C'est une perte de sensibilité qui se limite au niveau des pommes, des mains et des plantes des pieds. Donc, c'est pas visible C'est pas visible. Merci à vous. Il y a eu donc 31% euh, de cas d'infirmité. Degré 2. Degré 2. Donc, c'est-à-dire les cas visibles. Visibles, c'est ça, exactement. Fidèles euh, auditeurs, euh, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème la lutte contre la lèpre au Niger. Nous retenons que la lèpre est une maladie dont le nombre de cas relativement diminue chaque année au Niger. Nous rappelons qu'il y a eu donc, euh, comme ça a été dit, pour l'année 2020, 277 cas, alors que l'année 2019, nous avions enregistré 333 cas. Il y a donc nécessité de multiplier les sensibilisations afin que cette maladie soit donc mieux prise en charge, notamment par les agents de santé. Nous étions compagnie de Madame Bankoula Fatouma, technicienne supérieure en dermatologie au programme national de lutte contre la lèpre au Niger, et Monsieur Seydou Saleh, il est le président de l'association nigérienne Raoul Folero. Nous disons un sincère merci à tous les deux pour leur participation à ce forum. Merci également à vous, chers euh, auditeurs. Au micro, c'était Michel Degir pour la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et au revoir.